dañuy sant labu bu baax a baax bu président Macky Sall bi nga xamante def na lancement bi nga xamante ni tey mooy Sénégal zéro Yun ñun Kaolack Set Wecc nag dañ ñoo fekk ci loolu mun nañ wax ne ñaari at a ngi nii Kaolack tey ràññee nañ Kaolack Set Wecc ci quartier yi wax ci Kaolack 49 yi ci Kaolack amul benn quartier boo xamante ne Kaolack Set Wecc tegu fa tànkam ndaxte ñun jàpp nañ ne chaque samedi wala chaque dimanche bu ñu dinañ suñu doon def ñëw pour que seetal suñu gox

lënkaloog ñoom pour que mun a def activité bu am solo boo xamante ni bu ñu fa jógee ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ fekki woon ci quartier bi ñoom dinañ mën a def suivi bi dinañ mën a dem di saytuwaat liggéey bi nga xamante ne def nañ ko dinañ mën a dem waxtaan ak nit ñi sensibiliser nit ñi ci li nga xamante ni ndax jàpp naa ne tey set setal ak citoyen la ndax nit ki danga war a xam comprendre lan mooy set ba mun a setal boo xamee lan mooy set di nga mun a setal jàpp naa ne nag environnement Kaolack tey pour mu set doomu Kaolack ñoo koy setal du keneen mooy jóge feneen setal ko waaye ñun doomu Kaolack ñoo koy setal te environnement bi bu setee suñu doom ñu am santé bu environnement bi setee ñu am climat bi nga xamante ne war nañ ko am bu environnement bi setee ñu am foo xamante ne nañ toog ci garab yi mën a dew yaakaar naa ne loolu nag Kaolack Set Wecc ci dafay lancé waat appel ci lancé bi mu doon def démb ak barki démb tey dañ ciy ñëwaat ndaxte du bulet ñu fekk ñu si du bulet ñu jël dajale suñuy moyen pour dem fekki population yi ànd ak ñoom ci liggéeyal askan bi liggéeyal askan bi nag jàpp naa ne tey ku nekk da nga cee am part de responsabilité muy góor muy jigéen nañ ne jeex na bés ni ki tey dootu ma naan jël mbuus bi sànni ko jeex na bés ni ki tey dootu ma dugg sama biir place nettoyé pare sotti ko ci sotti ko ci mbedd mi loolu yaakaar naa mbedd mbedd buur la déedéet buur ñun ñooy buur ndax tey bu fi ku fi munti nekk rek ñun population bi ñoo ko fal kon nañ jàpp na ñun ñoo ko moomal suñu bopp kon pour ñun ñëpp di lancer appel nag tey ñu ngi ko def lancement fii ci gaaras Dakar bi nga xamante ne gaaras Liberté la waaye tey ku gis gaaras bi gis nu mu setee Japonais naa ne nag ñi nekk ci garage bi muy chauffeur yi muy transporteur yi muy clients yi ku nekk si ñun rek part de responsable bi nga war def Moy boo lépp loo ci def nga def ko rek suba garage bi dina mel ni mu war a mel kon encore une fois ñu ngi woo ñëpp góor jigéen mag ak ndaw di leen daan fu soxla Set ñu ñun dem fekk si la. Kaolack Set est venu massivement pourquoi parce que nous avons l'habitude de descendre sur le terrain de participer à l'assainissement de notre ville kaulak. Aujourd'hui, cet appel a été compris par tout un chacun et les autorités administratives sont venues en appoint pour euh, institutionnaliser, c'est-à-dire euh, le, concept Sénégal zéro déchet. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme. Euh, pourquoi Parce que il y a l'appui de toute une jeunesse consciente, femme, hommes, jeunes filles comme garçons. Nous nous sommes arrimés en bloc pour accompagner notre municipalité. Et nous avons amené avec nous le petit matériel. Avec nous, nous avons essayé euh, d'amener euh, de l'eau par le truchement toujours de Madame le maire Maya Massa. Nous, avons aussi amené des tricycles euh, pour acheminer les ordures qui ont été collectées. Parce que là où on passe, nous ne voulons pas laisser de descente Le chef de l'État a appelé les Sénégalais à l'heure qu'il fallait. Moi, je pense que euh, c'est un problème de comportement. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut renforcer le civisme au Sénégal. Il faut que tout un chacun se l'approprie. La salubrité, l'assainissement, l'emploi le l'environnement, le cadre de vie n'est pas du ressort que des autorités administratives ou locales. Alors, toutes les populations, de toute obédience confondue, doivent s'y mettre et accompagner, en tout cas le Sénégal, euh, vers le Sénégal zéro déchet. C'est un appel qui a été compris, qui est aujourd'hui en train d'être euh, euh, répercuté hein, dans les quartiers de Kaolac Récemment, vous avez entendu Bangré Sedwech, vous avez entendu Parcelle Asseni Sedwech. Il y a d'autres quartiers aujourd'hui qui nous appellent. Je pense que l'appel a déjà été enclenché ici à Kaolak, mais il y a aussi celui du président de la République qui l'a renforcé. Et nous disons merci, un grand merci à son Excellence le président de la République